Bonjour. Bonjour. J'adore quand tu viens sur le plateau. Ah oui? En fait, au lieu de me dire bonjour, tu fais comme ça, oh, bonjour, tu regardes ce que j'ai. En fait, tu regardes en même temps, qu'est-ce que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai retrouvé la semaine dernière. Euh, je devine un peu, qu'est-ce que tu as l'intention de nous faire Bon, si je vois euh, du sucre, si je vois du citron, je pense de l'eau. Oui. Mais bon, l'eau, si j'avais si, vu l'eau dans un verre, mhm. d'accord. J'allais dire que tu allais nous faire une bonne citronnade. Mais tel n'est pas le cas apparemment. Oui. Hmm? Marmita. Donc, ça veut dire ce n'est pas un jus de, de citron. C'est quoi exactement alors Au fait, aujourd'hui, c'est l'astuce comme euh, la semaine dernière, D'abord, comment enlever euh, l'odeur sur le mhm. euh, Cette semaine, j'ai fait l'astuce comment enlever l'odeur du poisson sur les mains et tout. Et aujourd'hui, je reviens avec une astuce comment enlever l'odeur de la cuisine dans la main. Sur le sué, xam nga rek ñun Sénégal yi moom macha allah euh, suñuy añ moom voilà. Mhm. da ngay rosi rek affaire bi xeeñ ci kër gi et tout ça donc aujourd'hui c'est à suivre c'est comment enlever odeur yooyu noonu yëpp soo resuwee wala nga togg suppu kànja xet bi di kii xeeñ ci kër gi ci salle bi. Ah, ci ci néeg bi voilà ci kër gi mu ciy xeeñ wala xetu jën yi tout ça là. Mhm. quand ça sent partout dans la maison et que euh, am ñu bëri dañuy faral di utiliser euh, gowe pour dindi xet yooyu. Mhm. mais à défaut de gowe y a une autre astuce très simple et plus rapide aussi à, réaliser parce que vous avez et tout ça ah, donc bini c'est une astuce euh, très simple de de le chin bu amul marmite euh, voilà nga def mhm. ce que tu fais nga de jus de citron bon citron mais après c'est pas pareil voilà ni jus de citron mhm parce que tu te rappelles euh, avant-hier pour enlever l'odeur euh, du oui, c'était citron c'était euh, citron sel et non non citron sel et, la tomate après il y a la tomate sel huile je t'ai dit, il faut tout le temps l'huile et le sel, soit avec la tomate, soit avec le citron et soit avec ah, le liquide. Effectivement, d'accord. Donc aujourd'hui aussi pour enlever l'odeur de, la cuisine euh, partout dans, la maison donc citron ngay de def ko ci ndox euh, mhm. voilà et ce que tu fais c'est jël ça ko gaz pas comme muy bax carrément donc à force muy bax et tout ça citron bi ak suukar bi day dem ba affaire ndox bi suy waaj jeex day mel comme caramel xam nga xet caramel dafa dafa fort et dafa xet bi dafa neex mhm. donc du coup day dem ba suy bax carrément xet boobu lay joxe xetu caramel exactement donc da koy bay muy bax euh, pendant 10 15 minutes le temps nga sentir exactement di nga sentir ni que euh, xet bi moy dominer xetu togg bi amoon ci bi kër gi yep donc day dem ba voilà caramel le kër gi di xeeñ bon et tout. Donc, euh, voilà, exactement, ça sent le bon, la maison sent le <laughs> ben <laughs> J'ai essayé de réaliser ça aide nos facile, Ça, c'est débat, même c'est comme moi. Donc, si on n'a pas de go, si on faire... Euh, citron la nuit. citron ndox ak souker teg ko ci base bi ci gaz bi baxal ko ba mu bax donc à force di ko baxal di ngeen sentir euh, xet bi nu muy duggee ci biir euh, kër gi xet bi su duggee immédiatement day éliminer yeneen euh, xet yi mooy xetu jën bi wala xetu yéet bi xetu voilà yi am surtout bi dori waaw rossi en général parce que des fois su quand tu as une surtout quand tu as une cuisine intérieure sooy togg ci appartement yi ak yooyu et tout sooy togg xet bi fépp lay dem surtout si tu as salon en en tissu mhm. affaibli, tissu donc soit immédiatement soit mën le temps nga et euh, cette astuce euh, voilà je la dois à ma grande sœur chérie mon amie Oumi donc voilà coucou à toi et c'est tout voilà <laughs> Alors l'astuce, euh, on la retrouve demain, Inch'Allah, dans Truc Astuce, comme d'habitude euh, pour cette rubrique. Juste après euh, le clip du jour, on en aura besoin, donc je te demande juste demander de conserver le tout, oui. que je vais de l'autre côté de la cuisine, et figure-toi que ce sera du poisson aujourd'hui. Donc, tu auras besoin de citron. Oui, j'aurai besoin de citron, donc on la retrouve tout de suite. <laughs> tout de suite, passons à la mayonnaise. C'est ça, hein à la mayonnaise. Hein dafa neex de ah. d'accord mais gisoo ko ci léegi mu ciy capp sax. on va manger ça tout de suite alors.